Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Prestige TV pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, Ndiassane prépare son gamme annuel le 5 novembre prochain. Toutes les dispositions matérielles, sanitaires et sécuritaires sont prises lors du CRD. Université de Thiès, lancement du projet d'optimisation de la chimioprévention du paludisme saisonnier Thiès en pôle position. Moralisation de la presse, l'association des journalistes de Thiès s'insurge contre leurs conditions de travail et fixe des objectifs. L'école Abdoulaye Yakin Diop a abrité la cérémonie de remise de fournitures scolaires par la fédération Kajor Janken de Thiès. Actualité nationale, actualité internationale, la page des sports et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Tout de suite, le développement.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 Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 12 cas contacts suivis par nos services, 7 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise de Dias et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1, Rocade Fan Belair 1, Touba 1, Yoff 1 et Zakmao 1. 51 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 21 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Ndiassane prépare son gamou le 5 novembre prochain lors du CRD consacré à cet événement religieux. Le porte-parole de la famille Arlou Kuntuyu s'est appesanti sur les mesures barrières en cette période de Covid-19 et sur l'organisation matérielle et sécuritaire pour la réussite de ce rendez-vous religieux. Suivant les explications de Serigne Abdourahman Kunta, leur porte-parole. Euh, nous préparons activement le gamou annuel euh, de la cité religieuse de Ndiassan. Euh, raison pour laquelle on est ici à la gouvernance de Thiès pour participer au comité régional de développement. Euh, le gouverneur a présidé ce CRD avec l'ensemble des chefs de service qui ont assisté à cette rencontre. Euh, dans l'unanimité, ils ont donné l'assurance qu'ils feront le nécessaire euh, pour un bon déroulement des gamous dans les règles de l'art. Euh, vous euh, savez que la célébration du Gamo annuel de Ndiassan de cette année euh, coïncide à la pandémie du coronavirus. En tout cas, la famille prendra les mesures idoines pour assurer le respect strict des mesures de prévention afin de participer à l'éradication du coronavirus au Sénégal. taxaw ñëpp daañu fa taxaw ak matuwaay yi nga xam ne war nañ ko jël ci wàllu santé ba képp koo xam ni takkul masque sax du dugg Ndiassane l'Université de Thiès, en partenariat avec l'Union européenne, a procédé au lancement du projet d'optimisation de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Ce projet d'un coût de 1,5 milliard soutiendra 13 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Reportage Ahmadou Bambali et Cherfal. L'Université de Thiès, en partenariat avec l'Union européenne, lance le projet d'optimisation de la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Un projet qui vise à optimiser la mise en œuvre de la sémioprévention prévention du paludisme saisonnier et de renforcer les capacités des programmes nationaux de lutte contre le paludisme. L'Université de Thiès s'est engagée à soutenir la recherche, l'innovation, la coopération internationale et la collaboration entre les pôles scientifiques, mais aussi entre les établissements de notre université. Que notre université a mis en œuvre le Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation qui est un instrument de soutien à la recherche dont l'objectif est de financer des projets de recherche-développement à fort impact socio-économique, culturel et environnemental. Ce projet soutiendra 13 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, dont le montant est de 1,5 milliard de francs CFA sur une période de 4 ans. Dans le domaine de la santé, notre jeune université devient un acteur opérationnel de la lutte contre le paludisme. Comme vous le savez, le paludisme continue d'être un défi de santé publique majeur. En 2018, on estime que 405 000 personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie, dont la plupart sont des enfants de moins de 5 ans. La chimioprévention du paludisme saisonnier est une stratégie qui cible ces jeunes enfants et qui a fait ses preuves. La sémioprévention prévention du paludisme saisonnier consiste à administrer chaque mois un traitement anti-paludisme et de renforcer l'engagement communautaire à la lutte contre le paludisme L'association des journalistes de Thiès souhaite moraliser la fonction des journalistes et s'insurge contre leurs conditions de travail, des objectifs sociaux et professionnels ainsi que le renforcement de la formation des journalistes sont fixés. Hadi présidente de l'association des journalistes de Thiès, au micro de Fatoufal. Ah, c'est depuis 2017 euh, que je préside au dessiné euh, de euh, l'APL, c'est l'association des journalistes de Thiès, avec un immense plaisir, comme je le dis, c'est avec beaucoup de plaisir que je porte la parole de l'ensemble des journalistes de Thiès, parce que c'est facile, c'est pas du tout facile de parler à leur nom, mais ce euh, c'est pas trop difficile pour moi. On, note que euh, la presse tiessoise et la presse en général méritent d'être assainies parce que tout le monde est journaliste, tout le monde se réveille un bonjour et, tu dis que tu es journaliste parce que tu n'as même plus besoin d'avoir ton dictaphone, hein. tu as le téléphone, tu prends le son, hein. tu, dis que tu es dans un site, des sites imaginaires, on les note et vraiment ça, ça, ça pas et vraiment, il y a des personnes, il y a des journalistes qui ont eu à faire une formation, qui ont été formés à, bonne école. Et il est temps que ce milieu soit assaini parce que pour euh, améliorer les conditions de travail des journalistes, il faut qu'on assainisse un peu cette presse. Parce que vraiment, cette presse, que ce soit à Thiès, à Dakar, à Thiès, la situation devient de plus en plus inquiétante. Objectif de l'association, que tout le monde, que les journalistes puissent être dans de bonnes conditions de travail. C'est notre objectif. Que les journalistes puissent euh, disposer d'un terrain, parce qu'on a une coopérative euh, qu'on est en train de poursuivre, la coopérative d'habitat des journalistes. Euh, on a entamé, il y a de cela quelques années, l'accès universel aux soins aux journalistes pour que les journalistes puissent bénéficier des soins médicaux, mais parfois ce n'est pas du tout facile. Euh, renforcer la formation des journalistes, nous l'excellence une cérémonie de remise de fournitures scolaires s'est tenue à l'école Abdoulaye Yakine Diop de chess à travers le Tchayen Fond et la fédération Kador Djanken de chess pour un impact positif sur les résultats scolaires et les enseignements d'apprentissage. Catherine Gagne, PCA de la fédération Djankeno, au micro de Fatoufal et Moussambaye. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui c'est une cérémonie de remise de fournitures scolaires. À travers notre bailleur qui est KFN International, qui a eu à chercher ses propres euh, bailleurs lui-même, nous a translaté un de ses bailleurs pour appuyer la Fédération Kadior Djankin en fournitures scolaires pour la préparation des ouvertures de classe. C'est dans ce sens qu'on a reçu 4040 euh, euh, lots kits de fourniture scolaire composé de quatre travaux pratiques, 10 crayons noirs, 10 bics, une gomme taille, euh, un paquet de 12 crayons de couleur et quelques accessoires, ciseaux et autres là. Je crois que ça permettra à nos enfants de booster les résultats scolaires parce que l'étude qui a été faite nous a montré que les fournitures scolaires ont un impact extrêmement important sur les résultats scolaires. Donc euh, il y a eu des moments de léthargie où il n'y avait pas de fournitures scolaires, mais ça avait impacté dangereusement sur les résultats scolaires. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une aubaine pour nous de doter nos, enfants en fournitures scolaires. Et le maître mot, c'est d'exhorter les parents à bien encadrer les enfants pour que le bailleur puisse avoir les résultats escomptés par rapport à, ça. Actualité nationale avec Fatou qui renseigne que le chauffeur du Khalif Medina Bay a été arrêté pour scroquerie. Démarrons les actualités nationales avec le chauffeur du Khalif de Medina Baye arrêté pour escroquerie. Kounta, le chauffeur du nouveau Khalif général de Medina Baye et son complice Seteba ont été placés sous mandat de dépôt hier pour escroquerie portant sur près de 311 millions de francs CFA. Leur victime est un Américain d'origine sénégalaise. Mariage homosexuel à Dakar. L'identité des 25 personnes arrêtées lors d'un mariage homosexuel célébré à Mermoz est révélée. D'après les informations de Libération, il s'agirait de Afal, MG, Jeju, Achandoum, an o kan mbup mm ndiaye y ndiaye m diaw a ndiaye ss fall b diouf m diey m sen m bathily m sek m da mbay b dioum o thiam l faye peignan M. et H. L'adoption d'une série de décrets relatifs aux activités pétrolières et gazières. Il s'agit euh, du projet de décret fixant les modalités de participants des investisseurs sénégalais dans les entreprises d'intervenants euh, dans les activités pétrolières et gazières et classement des activités de l'amone euh, pétrolier et gazier dans les régimes exclusifs, mixtes et non exclusifs, euh, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. L'affaire Pentumi, Tchonsek devra payer plus de 19 millions. Dans l'affaire Pentumi, le chanteur Tchonsek a été condamné ce mercredi par le tribunal du commerce. L'actualité internationale au Nigeria, malgré la flambée de violence de ces derniers jours, le président Buhari garde le silence au Maïsis. Au Nigeria, malgré la flambée de violence de ces derniers jours, le président Mohamed Buhari garde le silence. Avant-hier, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des jeunes qui manifestaient contre les violences policières à Lagos, tuant ainsi 10 personnes selon le mouvement Amnesty International. L'autorité de Lagos confirme la mort de plusieurs personnes sans avancer de chiffres précis et les images de violence sont devenues virales. Mercredi, le couvre-feu a été renouvelé encore une durée de 72 heures. Au Liban, Saad Hariri désigné Premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Après des consultations parlementaires contraignantes menées par le président Michel Aoun, Saad Hariri a de nouveau été désigné Premier ministre. Il va ainsi devoir s'accorder avec les différentes forces politiques du pays pour former un gouvernement à même de mener les réformes nécessaires pour sortir le pays de cette longue crise. Saad Hariri le rapporteur a été choisi par une majorité de 65 députés selon un communiqué lui en conférence de presse par un responsable de la présidence. Parlons à présent des présidentielles américaines. Barack Obama prête main forte à Joe Biden. Toujours très populaire parmi les démocrates aux États-Unis, l'ex-président Barack Obama a tenu ce mercredi un meeting dans cette grande ville de Philadelphie pour soutenir la candidature de son ancien partenaire à la Maison-Blanche, Joe Biden. Il a profité pour critiquer avec force le bilan du président républicain. La page de sport porte la signature de Elage Falundao. Ouvrons avec euh, la Ligue des champions en Europe. Le champion sortant, le Bayern de Munich, euh, frappe très fort d'entrée face à Atlético Madrid. 4 euh, buts à zéro. L'ex-parisien Kingsley Coman qui avait tué le Paris Saint-Germain l'année dernière en finale de Ligue des Champions, est encore passé par là. Un doublé 28e et 72e minute et une passe décisive à la 41e, suffisant pour cette entrée en matière des Bavarois déterminés à défendre leur titre. Salzbourg et Locomotive font match nul, deux buts partout. Dans le groupe B, chaque star en déplacement Bas Real de Madrid mal en point sur le score de 3 buts à 2. Inter de Milan et Manchungla-Barch font match nul, deux buts partout. Dans le groupe C, Manchester City bat Porto 3 à 1. Olympiakos de Ousseinouba et de Pape Abdou Sissé euh, bat Olympique Marseille 1 but à 0. Liverpool en déplacement bat Ajax d'Amsterdam un but euh, à zéro. C'est Nicolas Fico, le défenseur argentin, qui marque contre son camp sur un tir de Sadio Mané. Le Sénégalais touché au genou n'a pas terminé la partie. Il a été remplacé. Atlanta d'Italie en déplacement aussi a battu euh, sévèrement euh, Land de euh, Danemark sur le score de 4 buts à zéro. Et nous parlons de la Ligue des champions en Afrique, euh, demi-finale retour, euh, demain euh, vendredi au programme. Al-Ahli d'Égypte, vainqueur à l'aller, débute à zéro, reçoit Vidat du Maroc. Et samedi, Zamalek d'Égypte, vainqueur à l'aller, devait recevoir le Raja du Maroc. Ce match n'aura plus lieu. Les Marocains du Raja ont déclaré forfait Huit des joueurs du Raja ont été testés positifs au Covid-19. Zamalek est d'ores et déjà qualifié en finale et attend son adversaire. Il y a une possibilité de voir une finale 100% euh, égyptienne. Pour l'heure, nous pouvons dire que le football africain en club est dominé par les Maghrébins. Le euh, Caredas de la Ligue des champions est composé de l'Égypte et du Maroc. On termine avec le handball. Au Sénégal, la fédération a financé et organisé un stage de formation de techniciens euh, niveau initiateur. 28 entraîneurs ont reçu leur diplôme à l'issue euh, du stage de formation qui s'est tenu du 12 au 20 octobre à Mour. Le stage était dirigé par la Direction technique nationale et la cérémonie de clôture présidée par le président de la Fédération sénégalaise de le député Seydou Diouf. À présent, la revue de presse. Bienvenue dans la revue de presse de ce jeudi 22 octobre 2020 sur Prestige TV. Les journaux parus ce matin traitent en majeure partie les élections présidentielles en Guinée. Vox Populi évoque les contestations dans la rue des résultats de la présidentielle et barre à sa une violent heure et des morts en Guinée. Le gouvernement annonce neuf tués d'Alain en dénombre 16. Selon Vox Populi, Condé appelle au calme et à la sérénité. Toujours dans dans ce contexte, titre l'observateur présidentiel guinéen. Condé d'Alain, mot pour mot, y annonce une journée de violence à Conakry et à Dakar. À la une de tribunes quotidien, violence post-électorale en Guinée-Conakry. 12 manifestants et un policier ont été tués. Ce journal revient sur la liste macabre des victimes des dernières heures. Critique Barassa une lendemain incertain après la présidentielle en Guinée. Les ingrédients du chaos. Toujours en politique avec l'observateur qui parle des finances, dettes publiques, l'État s'offre une rallonge de 13 milliards. Ce quotidien revient sur la vérité que cache l'État. Société avec l'observateur qui titre Diagne à Thiès, le village où les castes refusent de partager le cimetière. Le procureur saisit du dossier le développement à la page 9 de l'observateur tribunal de Dakar, l'étudiante confesse sa vie de lesbienne. Commerce, grosse polémique sur les bonbons récemment parus dans le marché, évoque l'observateur. Selon Omar Diallo, ce produit n'existe pas dans le commerce intérieur. Sport avec le journal du groupe Futur Media qui renseigne remplaçant un club et en sélection. Lamine Gassama, un lion dans le dur. Gagne boîte boite vers le forfait, annonce Vox Populi. Stade quotidien bar à sa une, touchée au issues jambier, Gana Gueye forfait contre la Guinée-Bissau. Real surpris, Liverpool assure, City renversant, Bayern départ canon du champion. Mendy intronisé gardien numéro 1 à Chelsea, athlétisme évoque le stade. 13 médailles pour le Sénégal, Noy malade depuis 2012 sans assistance. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi votre revue de presse du jour sur Prestige TV. À vos journaux, bonne lecture. Chers téléspectateurs, amis internautes, merci d'avoir suivi cette grande édition du soir sur les antennes de la Prestige TV. On vous souhaite de passer une excellente soirée et restez connectés à nos programmes.